cette seconde période des, prolongations. Karambo qui est avec nous dans ce studio pour une petite visite. Et nous, on vous salue bien évidemment. J'espère qu'il y a nous suivre Eurobi attentivement. Bien sûr, et que j'en profite pour vous féliciter, pour féliciter Mamadou et toute l'équipe. Euh, c'est la première fois que, que je viens, mais bon, euh, c'est du professionnel et ça c'est très important. Ouais, vous hein. félicite et courage à vous. merci beaucoup parce que euh, depuis lors nous ngi wax ni pour euh, pour amal bien visite ci ci locaux yi bien sûr vous êtes content ci li nga xamné ne amal fini. vous suivez bien sûr euh, énormément de compétition mais aussi les informations sur iRadio 90.3 locaux yi doxantu nga ci xol nga ci xol nga aussi ligue bi nga xamné wala bu mucc ayib bi nga xamné amal un mot peut-être pour je sais pas gungé un petit peu un petit peu groupe avec yow mi nga xam ne yaa ngi wax professionnalisme un petit peu xamee nañ la professionnel et ban moo ngay lancé ndaw ñi nga xam ne ñu lay déglu aussi ci ci rajo. de toute façon de leur dire que ils sont l'avenir de demain. ñu mmh. avenir dëkk bi suba. et que comme je viens de le dire je viens de visiter et que honnêtement waaw félicitations à tout le monde parce que je sais que c'est un travail d'équipe. Et c'est le plus important. C'est, les installations sont bien faites. Et que je vous encourage aussi. C'est un travail pour Comme on dit, nous, sans vous aujourd'hui, peut-être de Nuram. Hmm. Donc c'est un travail d'ensemble. Nous, on le fait avec les journalistes. Hmm. Et que je pense que c'est, comme on le dit, la presse, la puissance que la presse a. Euh, tout le monde le sait. Hmm et que euh, bonne chance et que j'espère euh, vous voir euh, très, très loin, très loin. Oui, Inch'Allah. Un, petit mot de, de Babacar Faye sur cette visite. Voilà, je rajoute juste un mot. En, entrant, tu as, tu as dit un ancien lion, mais lui, il s'est défini toujours comme un lion. <laughs> Ah et la preuve, on se donne rendez-vous dans, dans les prochaines heures sur ITV avec une interview où il est revenu en, long et en large sur, euh, sur plein de choses. Et euh, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures, mais lui, il vous donne rendez-vous au, Cameroun. Inch'Allah. <laughs> Merci beaucoup. Avec, avec un entretien, et c'est vrai que ces coups de tête rageurs nous manquent dans l'équipe nationale du Sénégal. Ale karambɔ